Afrique Clash microphone bonkono Il m'a semblé à Sénégal to Niger à la à même mais tu Afrique Clash microphone bonkono bigidi bigidi boom ta El Grincho ay say digni Berthe Jibril El Grincho c'est Afrique Clash microphone bonkono manta tari bonno ta premièrement champion national hip hop Clash en 2007. La même année, je suis allé représenter le Niger à Waga Hip Hop. En 2007 toujours, à Waga Hip Hop au concours Clash International, je suis devenu le champion numéro 1 Afrique Clash Microphone 2007, ah. champion d'Afrique Hip Hop Clash après avoir été champion national. ok donc no il faut no classe gi manda igar ndak no tatami fo bon aram charu gongu wala matkina na gi manda eh bitini go fuck you ok aram mo ma freestyle tay c'est freestyle for bito wala hey mc masay si dina si bay mini girsi mc masay misi dina si bay mini cirsi zamene ga baka ngai si ay trapo Bakere, je gini wi sanda bilsi min barakata sada fisi ni ga bay mo ka basi ay cesi ay kabasi 2007 no ta 2008 oh ina ay ka rodin nyama izuno iPhone Nigerien, nigeria akadi go bore dore du burkina bay ni ngai man yadda burkina bay ni ngai madda ay ko tar fo kama de ta

ni saraka fitto, fitaw ni saraka koto ni ko maga kaka ni gande bon ni baraka koto <laughs> ni go naga di ni jine ni go naga di ay go naga kay ni charma moto moso moso yamo <laughs> ni mil ni to ni bongo toto Kadina marto kana naga bay kan ay banaka furni jine hay kala ma du way bay ay karkase aga <laughs> el girincho afrique cool microphone bonkono 2008 ay nani se kana yenda ay ka irdi gicar sasabu gidi gicar sasabu <laughs> kalson kai wongari ba fosino oh. burkina ba kana itaga ah. mai cinga de balraf ah, Des balles verbales, à rafale vocale. Aizurka, gaita, c'est. Na c'est nugu fumbo. Pouf. Ni mayogo fumbo douce. Ni gane go. Aine abutiga fatta bugus. Flone ite jo pousse. Pas de blé, on se bat tous. Mon danga bune. Zama mantini ne founé. Eh, sonda go wada boni. Wala mo sonde min. Assomi. <laughs> Bigidi, bigidi, boum Begede, begede, boum. Wat fon warap sinti Ah, irgo, za 98 no irgo microphone soti. Sinti naga, oh, ayo Gani ko? Oh, gani, break dance da ka. Yey. Irgo MC Train, Il Okay. Irin teno a gurkurorano. Gani na e da. En 98, na e posé couplé, on a créé un groupe le groupe s'appelle Illicite 88. Ok. C'est en 2000 qu'on a pu enregistrer notre premier titre, mhm. qui est la dose Chihuahua, Chihuahua, Chaki, Chaki, Une minute de temps d'antenne pour aller Grincho, pour nous dire tout ce qu'il a au fond de lui, pour qu'ensemble nous puissions d'une manière changer les choses. Et. Donc je lance un appel à toute la jeunesse nigérienne. Ici ou d'ailleurs, nous sommes des artistes. Nous sommes engagés pour la cause du hip-hop nigérien et nous partons la défendre hors de nos frontières. Je suis le champion d'Afrique Hip Hop Clash 2007, 2008 et même 2009. Confirmé par Niger Connexion. Aujourd'hui, on ne demande qu'une seule chose. Vous, qui êtes la jeunesse, pour qui

Hey. Iya. Biggity di boom.